L'éducation constitue une des priorités du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République Mohamed Bazoum. Dans ce secteur, la région de Difa a bénéficié d'importants investissements pour la réalisation d'infrastructures permettant une scolarisation meilleure des enfants. Nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures. Donc, euh, à savoir, nous avons eu 303 salles de classe dont 99 pour le programme, donc zéro classe pilot Donc on a bénéficié aussi de 125 latrines. On a bénéficié de la construction de 5 blocs administratifs et 5 blocs de logement pour les 5 établissements donc secondaires qui ont été créés. Donc nous avons bénéficié aussi de la construction de 21 murs de clôture. On a pu avoir aussi 9 points d'eau qui ont été installés au niveau des écoles. Donc on a aussi eu trois salles de classe digitales donc euh, avec installation de quatre réseaux Internet satellitaires En dehors de ça, on a eu la construction et l'équipement de deux centres de regroupement dans le département de Yungurti. On a aussi bénéficié de 57 vaches, donc côté' TLS comme on l'appelle, euh, pour abriter les classes pastorelles. Donc euh, toujours dans le cadre de réalisation, donc euh, spécifiquement ce qui concerne l'école normale, donc on a bénéficié de la construction de 5 logements pour l'école normale de DIFA. On a bénéficié de la construction d'un bloc administratif toujours pour l'école normale. On a bénéficié d'un aménagement des terrains de sport, d'un aménagement des espaces verts, de la construction d'un portique et des travaux de réhabilitation donc pour tout le pour l'ensemble des bâtiments de l'école normale. Ici, nous sommes à Barwa, un village abandonné il y a un an par les populations du fait de l'insécurité. Grâce aux efforts du président de la République, elles sont revenues et désormais, enfants et enseignants ont pu reprendre cette année les chemins de l'école. Ici à Barwa, on a eu l'école Mohamed Bazoum de Barwa, on a nommé. On a doté de 10 classes et clôturé et avec un, un, effectif de 489 élèves, filles comme garçons. Donc nous avons 135 garçons et 381 filles, grâce au président de la République. kama duro alhamdulillah lokol lokol lokol mar gaba daya kama duro kalkalo isa in kasoro kare da ya fiso alhamdulillah samma kalkalo da yin nous avons eu un changement depuis deux ans quel changement nous avons eu je vous ai dit que les déplacements des parents le cas précis de Baroua les gens de Baroua là ils ont quitté Baroua pour venir dans un, premier temps en Gagam. De Gagam, ils ont encore quitté pour venir à Difa. À Difa même, il y a certains qui ont continué à l'ouest de Difa pour s'installer. Maintenant, il y a deux ans, non, non, on nous a dit, ah, il paraîtrait que les gens de Barois seront ramenés dans leur village demain. Non, nous, on s'entendait Bon, on a dit, on va voir ce qui va se passer. Effectivement, tous les déplacés de Barois ont été ramenés dans leur village. Et ça, c'est l'œuvre de qui ah, Il y a deux ans, quel est le président C'était Bazoum. Donc c'est l'œuvre de Bazoum. Maintenant, si nous revenons à Difa, là, donc c'est coup de chapeau. Parce qu'à Difa, l'école marche 5 sur 5. De Garindogo à Barwa, en passant par Kinkandi et Kablewa, ce sont des milliers d'enfants qui ont pu reprendre les bancs de l'école en cette deuxième année de mandature du président de la République, Mohamed Bazoum. Il en est de même sur toute l'étendue du territoire de la région de Difa, où l'État, avec l'appui des partenaires, parvient, malgré un contexte sécuritaire difficile, à relever les indicateurs éducatifs.